viva mano. Se mal. mano. Uh. responsable artistique et peut-être pour ce qui est lié au au travail artistique conception son et cetera tamit si war a liggéey urban guérilla pour maanaam guérilla de la production urbaine sensibilisation artistique au niveau de la communication artistique donc moi je peux dire ça bon waa kër gi tey dañuy dem Kaolack noma kufanele ubani kwaleso labo kuzakwazi donc comme ni mu ko waxee waa ji gis eh, waa ji gis dañuy gise ci ay activité yaanam si moom proposé woon pour ne ko pour beaucoup plus de dynamisme na teg esprit na teg esprit pourquoi parce que ñun on ne fonctionne pas comme les politiciens Nous dem si nit créer il faut que ça vienne des gens il faut que nit soyons d'abord yek yek nga yëg ko ñu ko esprit parce que Y en a marre carte de membre carte partisan carte des carte d'adhésion état d'esprit avant tout est-ce que est-ce que tu te retrouves dans le discours qu'il porte à l'endroit des populations est-ce que tu te sens dans le combat qu'il ce que gis nga ci sa bopp du moment où yow yaa ngi naan li ñuy def neex na gis naa ci sama bopp boobu nekk nga Y'en boobu nga nekk Y'en léegi li ciy def nag mooy mettre ko en forme ñu ko xalaat le 16 janvier lancé ko ci presse bi le janvier à la place du souvenir une lancé c'était interdit par le directeur de la place la directrice de la place du souvenir on était un nombre très réduit d'une coin technique di Y en a marre en quelque sorte la somme des frustrations que vivent les Sénégalais une coupure d'électricité les problèmes liés à l'éducation les problèmes liés à la santé les problèmes de chômage l'insalubrité l'impunité l'injustice la fatalité parce a un problème des problèmes aussi liés à la religion surtout aux confréries en général qui entretiennent des rapports entre guillemets malsains avec le pouvoir sinon de temps en temps des confréries qui complotent avec le pouvoir contre le peuple. Y en a marre du contexte boobu le juddoo Un journaliste, un rappeur, top, plus particulièrement kër et Fadel Baro Kirgi nous ñu gën un engagement politique Fadel Baro que un journaliste bi nga il a tout le temps écrit des articles qui dénoncent toutes les formes d'injustice yi nga remonté. donc depuis des années, les journalistes ne font qu'écrire, ils n'agissent pas. Les rappeurs ne font que parler, ils n'agissent pas. Donc nous disons qu'en réalité, il y a un manque. Pas de manque, l'action. Donc on est comme tous les Sénégalais. Nous remarquons que même par rapport aux coupures d'électricité, ils donnent dañ doon wax ah yàlla baax na jarul yëngal il y a la barre, ah fii Sénégal la réewu la religieux yi On la mu nek ben mo ci religieux yi généralement ce qu'il faut yi pour juste amortir la révolte du peuple mu nek le complot de faire la véritable lecture le complot parce que voilà quand je parle de complot j'aimerais bien être compris parce que quand je parle de complot c'est généralement quoi la femme ben relation pour étroit très grande proximité entre entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique mooy ban boo leen seetloo à chaque fois bu Sénégal des problème les politiques li ñuy njëkk a def moom mooy tout bas ou dem Touba wala taal seen oto dem Euh, talibé, yi wala peuple bi am kersa lool si sëriñ si bu sëriñ si waxee peuple bi tok na tek lépp lu ko metti won que action en réalité nous, ñoo fait jeunes c'est un complot nous, tout neneen parce que pour la plupart quel que soit l'union nous les marabouts leurs enfants ne vivent pas dans des difficultés les politiques qu'est-ce qu'ils représentent parti bu qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit du pouvoir C'est doom nekkuñu ci ay problèmes yi nga xamante ne moom la peuple am anecdote quand l'histoire des mercenaires faut ko commencé voir au niveau de la presse les responsables des partis d'opposition dañu dajale seeni doom ak les responsables du pouvoir dañu dajale seeni doom

il un terme entre guillemets péjoratif ci expression de provocation qui fait allusion à la violence qui fait allusion à la critique qui fait allusion à un semblant de révolte à une préparation à quand je dis Yanama » moi que ni action généralement pour la plupart, le Pacifique des violentes. C'est fait exprès parce que les rappeurs jouent ci ay artistes jouent dañuy jouer ci ay provocation dafa mel ni rek nga jël sa mic ne te ñu delloo dëgg ci la saaga wuma ñuy delloo dëgg ci cest il faut retourner la vérité à sa mère forme de wax la juste pour provoquer le mot est violent le mot est provocateur mais le contenu doit être positif et constructif le contenu c'est quoi Moi, on s'intéresse à quoi on s'intéresse qu'est-ce qui est pourri dans ce pays c'est un système c'est qui le système c'est le gouvernement mais c'est aussi le peuple parce que le peuple aussi est un maillon du système ñu ne comme que système bi moo salte ban rôle lañ ci war a jouer ak lan la proposer il faut placer le citoyen sénégalais au cœur du processus de décision Les li ñuy décider ci tey ci Sénégal ñu ne citoyen bi dañ ko ci war a laaj xalaatam parce que citoyen bi mooy jaay café Touba citoyen bi mooy caméra caméraman la mooy jënd cassette kaset boobu muy jënd am na taxe ci am tax bi ci état ci kesu état bi la jëm taxe boobu moom mooy defar tëli taxe boobu moom mooy fay ministre bi mooy fay salaire donc en quelque sorte état association la association la en majuscule comme nga ne association déggoo Sénégal c'est association et le peuple cotise li peuple bi di cotiser nag war savons koy gis war nañ ko ci ñu que le peuple bi di cotiser en général moom le politique yi di jël di ci def ko caisse noire bu leen imam yi seet see ñu 10 millions de leen bu leen mbër yi seet ñu 15 millions de leen ne pourquoi on ne demande pas l'avis du peuple il faut aller plus loin aller plus loin c'est quoi il faut intéresser le citoyen sénégalais à la gestion de la chose publique la chose publique moi, les li nga xamante ne ñun ñoo